Madame et Messieurs, je me présente à vous, euh, Amadi Diouf, procureur de Dakar. Euh, j'ai à mes côtés euh, le procureur adjoint de Dakar, M. Karim je voudrais d'abord, tout d'abord, Madame et Messieurs, vous remercier vivement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation qui répond au souci de, rendre public, en application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, les diligences accomplies à la suite du décès de François Mankabou à l'hôpital principal de Dakar, décès à l'occasion duquel, naturellement, je présente au nom de la famille judiciaire mes condoléances à la famille du disparu. Euh, je précise euh, que M. Mankabou a été interpellé dans le cadre de l'enquête conduite par la sûreté urbaine euh, pour des faits d'actes de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Le nommé a été arrêté en effet le 17 juin à 7 heures à son domicile suite au développement de l'enquête et trouvé porteur d'une arme à feu de type Walter calibre 22 avec 9 munitions. Euh, selon les renseignements dont on dispose à ce stade de la procédure, euh, son rôle consisterait dans le cadre de ce qui est communément appelé la force spéciale à développer des stratégies d'attaque et de harcèlement contre les forces de sécurité euh, lors des manifestations qui étaient comme vous le euh, euh, vous en souvenez certainement, des manifestations qui étaient envisagées à l'époque. Concernant l'arme à feu, euh, le, le défaut ne disposait pas d'une autorisation régulière, car celle dont il détenait était frappée de caducité depuis 15 ans. Il faut noter que si les autres mis en cause, au total 10, ont été déférés et inculpés sur la base de charges réelles de complot contre l'autorité de l'État. D'actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, d'associations de malfaiteurs, destruction de biens appartenant à l'État ou intéressant la chose publique, détention, transport de produits et substances incendiaires, détention d'armes en rapport avec une entreprise terroriste, financement du terrorisme et complicité, il reste en revanche que François Mankabo, le défunt, n'a pu être déféré du fait de son état de santé qui ne le permettait pas. Euh, Selon les renseignements reçus, en effet, que l'enquête aura naturellement à charge d'élucider, le susnommé, contrairement aux autres inculpés qui avaient gardé le calme et la sérénité durant toute la phase de garde à vue, le susnommé, disais-je, a pour ce qui le concerne violemment cogné le mur et les grilles de la cellule de rétention sans que l'on sache réellement ses motivations profondes. Je dois dire à ce, à ce, propos et sur ce plan que les enquêteurs disposent d'images vidéo de 13 minutes euh, qui seront versées dans la procédure. Euh, je voudrais dire en d'autres termes que tous ces, les incidents qui ont pu déboucher sur cette issue fatale, des vidéos et des images vidéo sont détenues actuellement par les enquêteurs lesquelles images seront versées dans le cadre de l'enquête qui, sera, qui sera conduite. Pour ma part, euh, en procureur de la République, aussitôt informé du décès de François Mankabou, j'ai donné des instructions à la division des investigations criminelles d'ouvrir instamment une enquête diligente, exhaustive et rigoureuse sous mon autorité directe afin de déterminer les causes et circonstances exactes du décès. Dans cette perspective, je dois vous annoncer qu'une autopsie a été instamment ordonnée par le ministère Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci, monsieur. Hum?

les xew lan la aussi euh, la justice wara euh, taxaw ci mbir mi lan lañ defagum donc c'est sous le fondement de cet article 11 que lañ taxaw di à travers vous wax ak population euh, comme nous koy au nom desquels nous agissons.

moom la jagloon lool pour euh, forces def de sécurité pour mën leen di divertir ou bien peut-être mën aussi duñ jël en charge correctement euh, la défense de l'ordre public ci dans le cadre des manifestations qui avaient été effectivement envisagées Si euh, ñu demee këram nag ba fekk ko fa yàlla def na fekk nañ ko fait fekk fekk ak voyez, type Walter Kali 22 fekk nañ a aussi ay bal

Bien ñu leen di enquête garde woon nañ li ñuy wax sérénité dalon nañ dal euh, daloon nañ calme ba ben incident defu ci ba yalla def na aujourd'hui euh, bi enquête bi paré indi nañ un tribunal Il leen juge pour mu xol li ngeen di topé ndax amna et bu amé aussi est-ce qu'ils sont impliqués parce qu'il y a deux aspects la matérialité des faits et le degré et l'implication aussi des personnes qui ont été connues

on ne sait pas pour quelle raison xamuñ lan tax angoisse remords je ne sais pas vraiment pas quel mënu ko wax parce que enquête bi biñ moko wara mu tepp di di et rek moko fa def parce que nous, ci dess dara dalu hein, ah ko fa nak pour euh, gañu na gañu xamné ak état de santé mayetu en réalité ñu defere won ma ngi bëgg a wax nag né enquêteurs yi yor nañ ay caméra vidéo yo xamné incident bi yi ci am yu ci bëri ah, par des vidéos et des caméras de 13 minutes yo xamné ne wax naa leen ñu indi ko ñu duggal ko ci enquête bi nga division des investigations criminelles enquête bo xamné suma autorité direct lañ koy défé déjà que c'est un service très compétent qui nous a donné beaucoup de satisfaction dans le cadre euh, des, situations pareilles. Euh, mais en plus, c'est une, enquête qui sera conduite sous l'autorité directe du procureur de la République, afin qu'on puisse savoir la cause exacte de ces euh, François Mankab. Les policiers ont été def ont ko euh, et, que dès d'ores et déjà, je peux vous dire, en rapport avec euh, l'ordre des médecins, une autopsie a déjà été ordonnée. Donc, mbokk yi lu laa leen bëggoon leen wax euh, di leen gërëm di et puis di vous remercier di souhaiter une très bonne soirée merci beaucoup.